Oui, Sani Serahila. Oui, vous m'entendez Oui, je vous entends. Vous, vous m'entendez Je ne sais pas. Ça s'entrecoupe, mais bon, on va voir si d'ici là, ça va ah, s'arranger. Je, je sortir. C'est bon Vous m'entendez bien Nous, ça s'entrecoupe ici. Vous avez notre numéro ben, Vous avez mon numéro orange 90 Ah oui, c'est Ah, c'est bon, c'est bon même maintenant, c'est bon. Ok. C'est bon. comme ça, puisque là, j'ai mis vos là. Oui, c'est bon. <coughs> Ah, let's go. voilà. Donc, euh, rebonjour. Bonjour, madame. Aujourd'hui, le monde euh, célèbre la journée mondiale de la Terre, euh, dont le thème porte sur la préservation, préserver la Terre, c'est ça? Oui, restaurer la Terre. Restaurer la Terre. Voilà. Donc, euh, au Niger, euh, je ne sais pas, quelle lutte vous menez pour euh, restaurer ces terres et quelle activité vous avez prévues surtout pour commémorer la journée d'aujourd'hui Merci bien. pour répondre aujourd'hui, c'est la 51e édition de la Journée internationale de la Terre. Il faut rappeler rappeler, c'est une journée qui a été lancée pour la première fois en 1970 aux États-Unis. Ça, ça s'entrecoupe, oui, en 70 aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Depuis lors, euh, les activistes euh, du monde entier ainsi que les gouvernants profitent de ces journées pour rappeler les enjeux liés au développement durable. Donc, euh, cette année, le thème Restaurer la Terre cadre parfaitement avec les enjeux climatiques, surtout dans nos pays du Sahel. Euh, ce qu'il faut dire par rapport à cette question précise euh, de, de, restauration des terres, le Niger a déjà une stratégie nationale euh, de récupération ou de gestion des terres dégradées euh, qui ambitionne de récupérer des terres dégradées, 100 000, 100 000, hectares de terres dégradées par an. Et nous, nos actions ne vont que dans ce cadre, en lien avec l'appui au niveau des communautés pour restaurer davantage ces terres dégradées pour les sensibiliser par rapport à la préservation des ressources naturelles et surtout par rapport à l'utilisation rationnelle aussi des terres. Donc euh, pour nous, c'est des enjeux très importants et pour lesquels nous, nous, nous essayons d'impliquer, d'associer les jeunes et les femmes euh, dans toutes ces genres d'initiatives. Et pour marquer euh, cette journée, nous, nous avons deux événements aujourd'hui. Ici euh, au Niger, à Niamey précisément, c'est une action de plantation de salubrité avec les élèves euh, du CG13 euh, de donc parce que nous avons un club de jeunes là-bas qui fait la promotion de l'éducation environnementale. Donc c'est sur leur proposition que nous les soutenons à travers une action symbolique de plantation et d'entretien des arbres. Mais également, nous participerons en ligne. Euh, vous le savez, cette année, euh, la particularité de la fédération, c'est que le président américain Joe Biden a lancé un sommet des leaders, un sommet des leaders euh, pour le climat euh, aujourd'hui et demain qui va réunir 40 dirigeants du monde entier autour de l'enjeu climatique pour marquer également le retour des États-Unis sur cette scène internationale climatique. Donc voilà un peu, nous essayons de suivre de près pour voir euh, les, enjeux, les ambitions ainsi que, euh, comment dit, les décisions ou les engagements que les États vont prendre afin d'orienter davantage les grandes rencontres qui auront lieu d'ici la fin de l'année, à savoir le G7, le G20, euh, la COP 15 sur la biodiversité en Chine, la COP 26 sur le changement climatique. Donc, euh, en tout cas, le rendez-vous d'aujourd'hui et de demain initié par le président américain euh, permettra quand même de lancer le débat ou de voir l'engagement pour l'action pour crédibiliser les discours de nos dirigeants. Donc, c'est que c'est une bonne chose. Et là, parmi les 40 dirigeants qui prendront part à ce sommet virtuel, il y a 5 pays qui siégeront aussi. Donc, euh, c'est pour dire que l'Afrique aussi sera représentée valablement. D'accord, vous avez parlé de régénération des terres, un certain nombre d'hectares. Euh, est-ce que euh, depuis que cela a commencé, vous avez un peu fait le bilan Est-ce que le Niger a, a réussi à atteindre cet objectif-là Oui, je pense que je n'ai pas assez de recul à ce niveau pour répondre affirmatif à question, mais je sais qu'au niveau du ministère de, l'Environnement, il y a une direction qui s'en occupe et qui essaie de faire le bilan. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la, gestion des, des terres dégradées fait partie en tout cas des questions prioritaires au niveau de la plupart des politiques environnementales au Niger. Et je pense que périodiquement, peut-être que euh, il y aura dans, dans, le cas de la revue annuelle des chiffres euh, bien précis qui indiqueront les nombre d'hectares que le Niger a, a récupéré durant l'année et, ce qui reste à faire. Donc nous, ce que nous faisons, c'est plutôt de la sensibilisation, de l'éducation avec les jeunes pour qu'ils puissent, euh, une fois les terres dégradées, récupérées, qu'on puisse bien s'approprier. C'est vrai que nous soutenons un, un groupe communautaire ici à Tilaberi, euh, qui essaie de restaurer 80 hectares de terres dégradées autour d'une colline. Donc ça, c'est des actions que nous menons depuis euh, deux ans maintenant. Chaque année, nous essayons de voir les ouvrages à refaire ou, les infrastructures qui manquent ou qui méritent, euh, qui nécessitent d'être renforcées pour le faire. Donc ça, c'est symbolique, ces 80 hectares. de façon globale, l'ambition du Niger va au-delà parce que s'il faut promouvoir une agriculture intelligente face au climat, s'il faut promouvoir euh, les trois et autres initiatives agricoles pour aider lutter contre l'insécurité alimentaire chronique et tout, il est important que nous puissions avoir des terres cultivables euh, partout au Niger. D'accord. Merci beaucoup, Sani. Désolée de vous avoir dérangé. non, non, pas de souci. <laughs> Ok, merci bien.